Initié en 2015, le programme de la couverture maladie universelle a pour objectif d'augmenter la part de la population sénégalaise bénéficiant d'un accès aux services de santé. Cette initiative permet aux populations ayant de faibles revenus du monde rural et du secteur informel d'être affiliées à un régime d'assurance maladie et de bénéficier de soins au même titre que les personnes bénéficiant d'autres régimes de sécurité sociale. La réussite du programme de couverture maladie universelle dans son ensemble passe par une bonne compréhension par les populations du rôle des mutuelles de santé à base communautaire. Le Sénégal a une stratégie de développement de la couverture maladie universelle dont l'axe principal est justement la promotion des mutuelles de santé que nous mettons en place à travers euh, un slogan une commune une mutuelle de santé au moins. parce que lepp loy liggéey aussi man nga cey bolé sa wér bi yaram léegi nag ñu ubbi mutuelle de santé ñi def jox ko femme yépp presque femme commune ñaar yépp jigéen ñi bok ci avec yépp légui am nañ mutuelle de santé ci avec yi par mayor 500 duma ñëmé dem hôpital parce que suma yobbo 500 bi ticket rek lay jënd mu jeex waye légui avec mutuelle bi bo yobbo 500 di nga jënd sa ticket di nga jënd sa garab yépp nga ñib ci 500 mën naa am sax nga Parce que comme on dit, les mutuelles ont des activités régaliennes, à savoir la collecte des cotisations, le suivi des bénéficiaires, le suivi des adhérents, ils sont à jour, donc les prestations. Donc on, le, les connaissait que dans ces activités-là. Donc c'était quelque chose de très osé. Euh, faire participer les mutuelles de santé dans les activités de communication et d'accompagnement dans la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Oser le changement pour révolutionner les mutuelles de santé, c'est ce qu'a voulu l'USAID à travers sa composante RSS+, en accompagnant l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, afin que les soins de santé soient accessibles à tous. Cette accessibilité ne sera possible que par des stratégies mises en œuvre par toutes les parties prenantes. Et parmi ces stratégies, la sensibilisation pour la promotion des mutuelles de santé. Il y a eu des formations en cascade, on a formé les mutuelles et il y a eu des suivis. Et on s'est rendu compte que euh, ils ont reçu le pari. Les mutuelles de santé sont une partie prenante dans l'organisation de la demande en soins. Nous avons pensé à les mettre en contribution pour qu'en plus de cela, qu'ils puissent faire des activités de communication pour promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. mais nous signons signé convention avec SR Média nous permettre suñu relais yi ak bàjjenu gox de di la population de di waxtaan ak ñoom ci euh, SR Média le planning familial avantage et ak li ci nekk yépp di waxtaan ak ci CPN que ñi nit ñi dañoo war di visite ak CPON li ci aaju yëpp ñu ñëw def ko dans les normes toppatoo seen doom yi vaccination yi ñu bañ a raté benn vaccination même bu ñu tukkee bu ñu ñëwee dañ leen di recherche ñu ñëw vacciner seen doom yi di leen sensibiliser ci paludisme di leen defal ay causerie di leen sensibiliser aussi ci période bii ñu toll nii muy coronavirus bi dafa nekk yokkute ci mutuelle bi parce que bénéficiaires yi gën nañoo yokk adhérents yi ñëw nañu bu baax a baax parce que si on ba en 2017 986 bénéficiaires à jour en 2018 mu en 2019 mu York. ba en octobre 2020 ñu ngi 1200 bénéficiaires à jour mutuelle mënul dem te doo def mobilisation sociale Nous dem sur le terrain qui euh, avec yi ak groupement féminin ak daayira yi ngay wàcc sur le terrain di waxtaan ak ñoom ñuy comprendre question ñu lay poser directement nga leen di répondre ne bañ a def ay VAD di dugg ci kër yi parce que am na ñoo xam ne bokkuñu ñu ci ndat bokkuñu ci mais seen biir kër yi nga leen di fekk. on a des stratégies par appel téléphonique ou bien on va comment adresse on va faire la liste des pertes de vie par quartier on les donne c'est eux qui vont aller rechercher et vraiment amener, euh, leur retourner ici pour la suivi des CPN. Bon, même chose pour la, pour la vaccination. On a des pertes surtout avec ce euh, contexte-là de Covid. Aussi, la contractualisation avec les districts vient renforcer les liens indissociables entre les mutuelles et les structures de santé, mais aussi la communauté. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au niveau des mutuelles de santé, nous avons l'axe euh, promotion de l'éducation sanitaire. Donc, euh, euh, non seulement nous travaillons sur la facilitation de l'accès financier aux soins de santé, mais nous travaillons aussi pour ce qui est promotion de la santé. Et je crois que SRMNIA fait partie de la promotion de la santé, d'autant plus que c'est des services qui sont au niveau du paquet de base de la mutuelle. Ça veut dire qu'au niveau du paquet de base, nous avons la planification familiale qui est assurée à, hauteur de 20 80%. Nous avons la consultation prénatale qui est assurée à 80%. Nous avons aussi la consultation postnatale qui est assurée à 80%. Même l'accouchement simple est assuré à 80%. Parce qu'un non-respect de, de, CPN peut amener un accouchement difficile. Euh, le fait aussi de leur dire qu'il faudra que vous faites des accouchements assistés n'accouchez pas au niveau de la maison, etc. Parce que ça aussi, ça peut rendre, euh, euh, peut-être si on va au niveau des ODD, ça veut dire que la mortalité maternelle et infantile. Et puis, c'est un focus où on travaille beaucoup pour que les femmes vraiment ne, fassent, plus cet accouchement à domicile. Au niveau du département, il y a 8 métiers vraiment qui, ont bénéficié de cette santé de reproduction, la SR 8 Donc, ils sont entrés de avec RSS sous la supervision du district sanitaire. Donc, le, district sanitaire aussi, vraiment, a son répondant au niveau des postes de santé. Donc, à travers des thèmes, la vaccination des enfants, la supplémentation en vitamine A, la lutte contre le pali, donc l'accouchement des femmes au niveau des structures sanitaires, et tant d'autres, des thèmes que, que nous propose et qu'on va aller faire des VAD et des causeries, sous la supervision de l'infirmier chef de poste de la commune. Même les rapports sont signés par ces infirmières Dans les rapports, il y a la signature du président de la mutuelle, ensuite de l'ICP de la zone et du médecin-chef de district. Donc il y a ces trois signataires donc, des, euh, des rapports. L'Union départementale des mutuelles participe à nos réunions de coordination. Donc il y a une parfaite synergie, une parfaite collaboration avec les mutuelles. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, les mutuelles vous nous aidez dans l'accessibilité financière. Ainsi, des supervisions ont été menées et ont montré des résultats satisfaisants. Au niveau de ces zones d'intervention, on a constaté une amélioration du taux d'adhésion, du taux de pénétration au niveau des mutuelles de santé, mais également euh, une amélioration de certains indicateurs au niveau de la santé de la mère et de l'enfant. Parce que ceux qui représentent les communautés dans les mutuelles de santé sont aussi euh, mieux placés pour discuter avec ces dernières euh, par rapport à la résolution des problèmes de santé, par rapport à l'adoption de comportements favorables. Donc euh, on peut dire qu'en réalité, nous avons constaté une amélioration des indicateurs de la santé de la mère et de l'enfant. La population a beaucoup apprécié les mutuelles de santé parce qu'au début, elle ne comprenait pas les mutuelles de santé. Mais lorsqu'on a eu à faire des activités de sensibilisation, des euh, VAD avec les relais, elles ont compris. Donc elles ont eu beaucoup à adhérer. À avec la vraiment, euh, on est très satisfaite, on n'a pas de problème. On est, on est ensemble, on reçoit les malades. Si on a des problèmes avec un malade, on appelle pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. On prend les malades en sage, on fait les factures à la fin du mois, on amène et rembourse. Donc vraiment, on n'a pas problème. Et à l'issue de cela, il y a eu des supervisions conjointes entre le district et AP sur le terrain pour, suivre la mise en œuvre sur le terrain et avec l'implication des infirmiers chefs de poste des zones de, responsabilité. Et les données étaient collectées régulièrement chaque mois et partagées en réunion de coordination entre AP et, le district. Donc pour moi, euh, RSS Plus est vraiment un partenaire euh, privilégié euh, service régional. Et c'est un partenaire aussi euh, qui est en bon terme avec les organisations mutualistes. Cette approche a été développée dans cette région avec la collaboration de l'USAID à travers sa composante RSS+, et mise en œuvre par Apt Associates et la cellule santé communautaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Elle a eu une grande acceptation par les populations qui l'ont magnifiée et s'engagent à la pérenniser vous avez vu les initiatives des mutuelles de santé. Ils ont été financés pour des mobilisations sociales lors de la première année. Mais la deuxième année, ils ont multiplié par fonds propres. Et la troisième année, sans mobilisation, ils parviennent à faire la mobilisation. C'est parce qu'ils ont compris c'est ce qu'on demande. Quand quelqu'un vous finance, s'il se retire, vous continuez les activités parce que vous avez compris l'intérêt de ces activités. Et je pense qu'eux, ils l'ont compris. Et le district est là présent pour les accompagner. Et lors d'une rencontre, de restitution de la mission de supervision des organisations mutualistes que nous tenons tous les six mois après les missions de supervision conjointes qui sont, qui sont menées avec l'ensemble des acteurs. On a magnifié véritablement le projet, les apports du projet Essermania. Ce n'était pas mes mots, c'était les mots des, mutualistes qui disaient que ces mutuelles-là ont eu des, des, apports grâce à ce projet Essermania en termes de, de renouvellement de cotisation, en termes d'augmentation des adhésions. Je pense que la CMI aujourd'hui doit aller plus loin. On ne doit plus être seulement dans la CMI, mais on doit tendre vers, vers, cette CSU qui est véritablement l'objectif. Et pourtant, vers cette CSU, il faut que l'on fasse à ce que euh, nos mutuelles de santé, véritablement, deviennent des gens de promotion de la santé. Et c'est un projet qui peut être véritablement un, un, un, un chemin qui pourrait amener ces mutuelles à l'être. Ce qui pousse aujourd'hui euh, le directeur général, mais également l'ensemble euh, du personnel de l'agence à réfléchir sur des perspectives d'extension de l'expérience, parce qu'il faut le rappeler, euh, cette expérience est développée uniquement dans les sept régions d'intervention de l'ISAID à travers sa composante RSS Plus USAID. Nous disposons au moins 676 mutuelles de santé que chacune de ces mutuelles de santé signe une convention avec le district de sa zone géographique afin de permettre l'extension de l'expérience. Une extension de l'expérience à l'échelle est le défi à relever par les autorités sanitaires. Promouvoir ces mutuelles de santé et susciter une adhésion massive à celles-ci, n'est-ce pas là le but des SEVAKI nuyoo salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum te bi yéen dafay nuyoo salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum te bi yéen dafay nuyoo salaamaaleykum